Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Le thème du forum de ce soir porte sur les maladies zoonotiques au Niger. Quelles mesures préventives Selon Wikipédia, les maladies zoonotiques sont des infections qui peuvent se propager des animaux aux hommes. L'Organisation mondiale de la santé OMS estime que 60% des maladies dans le monde sont d'origine animale. Les maladies zoonotiques constituent ainsi un problème de santé publique auquel fait face l'humanité, ce qui signifie que le fait de vivre en permanence avec des animaux peut constituer dans certaines situations un danger pour notre santé. Quels sont les différents types de maladies zoonotiques Quelles sont les causes des maladies zoonotiques Comment se fait la transmission de l'animal à l'homme Comment se fait la prise en charge de ces maladies et quelles sont les mesures préventives contre ces maladies. Pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Dr Abdelrazak Issa, docteur vétérinaire épidémiologique à la Direction générale des services vétérinaires. Bonsoir Dr Abdelrazak. Bonsoir. Docteur Sahabi Barté, docteur euh, vétérinaire à la retraite. Bonsoir docteur Sahabi. Bonsoir et Dr Moumouni Idi de l'Association pour la redynamisation de l'élevage à Rennes. Bonsoir, Dr Moumouni Idi. Bonsoir, madame. À la présentation, je suis Fatih Zakari. Comme défini en amont, les maladies zoonotiques sont des infections qui se transmettent de l'animal à l'homme. Je commence par Dr Abdrazak Issa. Vous êtes docteur vétérinaire épidémiologique à la Direction générale des services vétérinaires. Que peut-on encore retenir des maladies zoonotiques eh, merci madame. Comme vous venez de le dire, bon, d'abord je vous remercie pour cette euh, invitation ici à Kalangu et de nous donner l'opportunité de représenter vraiment la direction. C'est vraiment une bonne initiative parce que jusque-là, les maladies zoonotiques sont négligées. C'est vrai, c'est des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme et vice-versa. C'est ce mhm. qu'il faut comprendre. Mhm. Parce que l'homme aussi peut transmettre la maladie à l'animal. Donc, c'est en un mot, selon l'organisation, comme vous l'avez dit, l'OMS, c'est vraiment une définition standard que je viens de donner. Mhm. C'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme et vice-versa. Donc, c'est-à-dire de l'homme à l'animal aussi. Mhm. Ah, donc, euh, les gens, mhm. parfois, ils vivent en cohabitation avec les animaux. Chacun, quand il a besoin, il prend l'animal ou bien il fait domestiquer jusqu'à ce qu'on a vu des gens qui domestiquent des animaux sauvages sans savoir les risques. C'est en ce sens que je parle que c'est des maladies qui sont vraiment négligées. Et comme vous l'avez dit, il faut on va arriver à ce point-là pour la sensibilisation. Merci, docteur Abdelrazak Sahabi Barti. Vous êtes docteur vétérinaire à la retraite. Quels sont les différents types de maladies zoonotiques Merci, madame. les acteurs réels des, maladies zoonotiques et de toutes les maladies vétérinaires, mhm. ce sont ceux, qui, que vous avez tout près de vous, le, représentant, enfin, le, vétérinaire épidémiologiste représentant la direction générale des services mhm. vétérinaires. Donc, euh, comme on le sait, c'est eux qui incarnent en même temps la puissance publique. Mhm. Donc, ils sont les plus qualifiés et les plus indiqués mhm. pour en parler. Il L'a déjà défini, c'est effectivement des maladies transmissibles à l'homme mhm. et l'homme aussi transmet cette maladie. Donc, comme il l'a si bien dit, vice-versa également. ça constitue quand même une préoccupation pour la santé publique et pour les services vétérinaires. Merci à Sahabi Barté. Avant donc de donner la parole à Dr Moumouni Idi, euh, je reviens vers euh, Abdrazak Issa, docteur vétérinaire euh, à la Direction générale des services vétérinaires. Est-ce qu'il y a plusieurs types de maladies zoonotiques Merci bien. Pour répondre à votre question, il y a différents types de maladies zoonotiques. Mm-hmm. Donc on peut jusqu'à citer quatre. Mm-hmm. Il y a les maladies qui peuvent se transmettre, virales d'abord, mm-hmm. il y a bactériennes, il y a fongiques, bon ça c'est les champignons et il y a aussi parasitaires. Donc il y a quatre types de zoonotiques, les maladies. Mhm. Donc euh, c'est pour dire que donc il y a les virus qui peuvent transmettre, il y a les bactéries, il y a les parasites et il y a les fongiques. Mhm. Donc ça c'est les fongicides. Et quelles sont les plus fréquentes ici au Niger C'est vrai, nous, au début, à la Direction générale des services vétérinaires, nous mhm. avons identifié jusqu'à cinq zoonoses que nous avons identifié avant que nous fassions une zoonose nationale pour la liste. Parce que c'est vrai, il y a plusieurs maladies. Vous ne pouvez pas lutter contre toutes ces maladies, mais comme vous l'avez dit, les plus fréquentes et qu'on peut avoir des financements pour pouvoir faire. Je peux mhm. citer entre autres, on a la rage mhm. qui est là, qui est une maladie virale. On a le charbon bactérien qui est là aussi, ça mhm. c'est une maladie bactérienne. On a aussi et la fièvre de la vallée des rites. Mhm. Peut-être avec les informations, vous avez eu des situations qui se sont passées à Tawa, donc à Tassara. Mhm. Après ça aussi, on peut citer aussi la grippe aviaire, mhm. donc hautement pathogène, qui sont toujours aussi des zoonoses. Donc euh, voilà, entre autres, on a aussi la brucellose. Bon, ça, c'est des maladies vraiment qui sont là et vous avez parlé de modes de transmission, on va arriver. Donc mhm. ça, c'est des maladies qui, trans qui se transmettent par l'alimentation du lait ou bien la consommation de mhm. viande de haute. Il y a la tuberculose aussi. Tout ça aussi, c'est des maladies zoonotiques qui mhm. sont là. Voilà, en gros, j'ai cité quelques maladies qui sont un peu fréquentes ici et nous suivons aussi de près. Et à l'heure actuelle, comment se présente la situation épidémiologique des zoonoses au Oui, merci pour la situation épidémiologique jusque-là parce qu'on fait par année. Cette année, bon, on peut parler, bon, c'est elle est un peu rare parce mhm. que quand on parle des situations, il faut faire le suivi. Mhm. C'est vrai, nous, on a des situations hebdomadaires qui nous viennent par région. Donc, euh, ce n'est pas tellement fréquent, mais aussi, il faut pousser les investigations. Donc, on a quelques cas de charbon, de vallée des rives, de la rage aussi, parce que mhm. la rage aussi est négligée. Chez nous, tu vas avoir un enfant qui s'amuse avec des chiens et chats mhm. sans savoir. Parfois, il peut être mordu et les gens, ils peuvent venir informer ses parents, mais ils vont dire non, ce n'est rien, c'est rien. Mhm. Donc, vous voyez, donc on, on, est en cohabitation avec les animaux donc, euh, on ne peut pas dire que ces maladies ne sont pas là, mais il faut que des investigations soient poussées. Mhm. Il faut des prélèvements pour des analyses et faire la confirmation. Mhm. Et euh, les régions les plus touchées donc, il n'y a pas euh, spécifiquement d'autres régions. Toutes les régions qui sont touchées Donc, Donc, on ne peut dire que toutes les régions qui sans avoir des confirmations des prélèvements. Donc, pour le moment, on attend des prélèvements quand il y a des prélèvements, parce que juste en arrière, nous avons effectuer la journée de la rage qui s'est passée au 28 septembre. Nous l'avons fait dans la région qui a comme vous l'avez, bon, le département, mhm. bon, on prend la région en entière d'Osso, et plus précisément dans le département de Douti. Mhm. Parce que nous le faisons en fonction des prélèvements qu'ils nous envoient et la confirmation. Mhm. Donc, quand on a vu la positivité de la rage, donc on a jugé utile d'aller sensibiliser et le département de Douti et faire des vaccinations pour mhm. la rage. Donc, c'est en fonction des prélèvements qu'ils nous envoient et si on confirme la, euh, maladie et on cherche à sensibiliser. Mais néanmoins, il y a d'autres sensibilisations qui se font dans toutes les régions. Mhm. Docteur Moumoun Idi, vous représentez euh, l'association pour la redynamisation de l'élevage euh, au Niger à Les éleveurs euh, vivent en permanence ou en contact direct avec les animaux. Si ces derniers tombent malades, ça peut être source de contamination pour ces éleveurs. Pensez-vous que les éleveurs sont conscients de cela Je dirais oui, je dirais non. Parce que certaines pratiques qu'on constate sur le terrain, de nos membres même en tant que tels, nous permettent de dire qu'ils ne sont pas vraiment conscients de ces maladies mhm. transmissibles de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. Mais néanmoins, la majorité, la majorité sur laquelle nous portons des sensibilisations, c'est tout ce qui est maladie zoonotiques. pour, pour, tout ce qui est, est transmission des maladies entre l'homme et l'animal, nous pouvons dire que la majorité est, et consciente de cela, mhm. mais pas dans la totalité. Parce que présentement, AREN travaille avec beaucoup de vétérinaires comme moi mhm. et des vétérinaires qui sont sur le terrain, donc qui les aident à sensibiliser, qui, qui apportent des soins en termes de santé animale aux éleveurs mhm. et beaucoup d'autres. Donc nous pouvons dire que est en train de travailler et a déjà touché la majorité. Mais dans sa totalité, nous pouvons dire que quand même la majorité a été touchée. Vous avez donc enregistré des résultats encourageants. Oui, des résultats encourageants. Euh, si je prends par exemple euh, certaines maladies zoonotiques dont le docteur euh, a tantôt parlé, comme la brucellose ou bien la tuberculose, mm-hmm. donc nous avons porté beaucoup de sensibilisation sur le fait de, de pasteuriser, de chauffer donc le lait avant de le boire, mm-hmm. en cas de, de signes, mm-hmm. quel comportement il faut prendre. Donc nous avons recensé des, des, gestes encourageants en ce sens sur le terrain. Merci. <laughs> Je reviens vers euh, Sahabi Barté. Vous êtes euh, docteur vétérinaire à la retraite. Quels sont les animaux qui peuvent transmettre des maladies à l'homme Merci. Mhm. Presque toutes les espèces domestiques sont susceptibles de transmettre euh, les, maladies zoonotiques. Mhm. à l'homme et de l'homme à l'animal. Mhm. Donc, c'est presque toutes les espèces qui sont concernées, c'est-à-dire, je veux dire, les mammifères, la volaille. Mhm. Donc presque toutes les espèces animales sont concernées. Mhm. Je voudrais peut-être un peu au passage euh, dire l'action, <clears throat> en tout cas, de l'aide que la reine apporte aux, éleveurs mhm. dans la sensibilisation, en fait, pour soutenir les services publics. On a eu par le temps à s'appuyer beaucoup sur l'association enfin beaucoup d'autres associations, y compris l'AREN, dont j'ai l'honneur d'être avec le représentant. Mhm. Et en plus encore, donc pour signifier mhm. la coopération qui existe, et il y a une, bonne coopération qui existe entre les associations d'éleveurs et les pouvoirs publics. C'est une action à saluer. Et, pour notre part, nous, en tant qu'anciens, on ne peut qu'encourager encourager mhm. et vraiment féliciter ceux qui sont sur le terrain du bon travail qu'elle accomplissent en association avec les éleveurs. Docteur Abdrazak Issa, vous pouvez ajouter sur ce que Docteur Sabi vient de dire relativement donc aux actions que mène Arena dans le cadre de la lutte contre les maladies zoonotiques. Ah, je crois bien, il l'a si bien dit et le représentant de l'arena l'a dit, hein, parce que les éleveurs, c'est eux qui sont étroitement en contact et qui peuvent transmettre le message. Et mhm. comme il l'a dit, en transmettant le message à d'autres, peut-être entre eux aussi, il peut y avoir. Vraiment, c'est très important ce qu'ils font. Et c'est, comme l'a dit eh, docteur Saab, c'est les gens qui sont à encourager. Il faut mhm. les encourager. C'est eux qui sont sur le terrain. Mhm. C'est eux qui voient, qui nous transmettent. Et nous, on ne fait que faire les analyses et faire la diffusion. Nous passons à présent à la deuxième partie euh, de ce forum euh, consacré à la prise en charge des maladies zoonotiques au Niger. Docteur Abdrazak Issa, vous êtes euh, docteur vétérinaire épidémiologique à la Direction générale des services vétérinaires au ministère de l'élevage. Comment peut-on savoir qu'une personne est atteinte d'une maladie zoonotique Bon, merci. Ça, c'est une question que nous tous, on va répondre. Bon, mm. avant d'arriver là-bas, il faut dire que nous, nous sommes des vétérinaires nous nous faisons tout pour que la maladie ne touche même pas l'homme. Mhm. Une fois arrivé chez l'homme aussi, notre un système rentre euh, en, jeu, c'est le mhm. système de santé publique. Mhm. C'est pour ça que j'ai dit maintenant nous travaillons en étroite collaboration avec les trois secteurs, principalement, mais à d'autres secteurs, que ce soit la santé publique humaine et, l'environnement aussi. Parce que tout ce que nous faisons, nous, notre rôle, c'est d'empêcher que la maladie ne traverse l'animal aller vers l'homme. Donc dans ce sens, il a aussi parler des, gestes qu'ils font, mhm. comme c'est-à-dire faisons chauffer le lait, faisons, la, consommons la viande saine, tout ça mhm. là, qui peuvent transmettre donc euh, la maladie, parce que c'est des pratiques qui sont là. Mhm. Surtout pour la consommation de lait. D'autres vont vous dire, surtout ceux qui sont vraiment dans le lait, ils vont dire non, nous, on n'a pas l'habitude de pasteuriser, il y a des choses. Donc, c'est des habitudes. Maintenant, il faut que nous renforçons notre sensibilisation en allant. Maintenant, pour le, comme vous l'avez dit, comment savoir Parfois, c'est difficile, mais c'est la cohabitation qu'on regarde. Mhm. Et on regarde la personne vit dans euh, avec les animaux, comment ça se fait, comment ils font. Et comme je l'ai dit maintenant, mhm. tous parfois on va dire on va prendre un animal soit pour nous surveiller, c'est-à-dire sur les carnivores, les chiens et chats, autres là, sans prendre soin et de sa situation sanitaire que quand vous prenez un chien ou bien un, chat, vous êtes obligé de suivre sa situation sanitaire du moment où il y a des maladies qu'ils peuvent transmettre. Mhm. Donc, surtout que ces animaux-là sont en étroite collaboration avec les enfants. Mhm. Donc, vous voyez, donc la moindre des choses, c'est de faire vacciner vos, vos chiens et vos chats contre vraiment la, principale maladie qui est la rage. Donc, mhm. les autres maladies sont là aussi. Donc, pour éviter toute contamination de l'animal à l'homme. Est-ce que euh, les gens font vacciner euh, leurs animaux, surtout les animaux domestiques Oui, pour les animaux ah. domestiques, il est là encore, il va ajouter. Actuellement, ils sont dans une campagne de vaccination gratuite pour les mhm. animaux domestiques. Mhm. Et pour les autres carnivores, d'autres le font, qui sont sensibilisés, mais d'autres négligent. Donc, surtout euh, maintenant, ceux qui sont sensibilisés, surtout pour la rage, c'était vraiment pour le moment, jusque-là, c'est gratuit. Mhm. Donc la vaccination, elle est gratuite. Ça ne coûte à personne euh, d'aller vacciner ton chien pour éviter la contamination. Mhm. C'est la règle seulement qui, La vaccination l'arrache seulement qui est gratuite ou bien pour les, carnivores, pour hmm. les, chiens et chats. Mhm. Maintenant, pour les domestiques dont je dis c'est gratuit, mhm. il va encore nous en parler. Il y a la peste des petits ruminants que nous faisons, il y a la PPCB, il y a mhm. aussi la de caméline. Donc peut-être il va venir beaucoup plus de détails sur ça, comme ils sont dans l'activité maintenant. Docteur Moumoun Idi, vous pouvez ajouter Oui, euh, donc en ce qui concerne les signes, donc comme il l'a il a si bien dit, pas grand-chose à ajouter. C'est que sur, en première position, on regarde la cohabitation. Donc, en général, les signes mhm. euh, se confondent avec beaucoup d'autres signes mhm. et que nous vivons, que nous connaissons d'ailleurs, comme le pali et autres. Donc, c'est toujours des fièvres. Des fois, on a des boutons. Donc, on regarde toujours la cohabitation et on essaie de faire le lien épidémiologique de la, zone de la maladie, voir si est-ce que cette maladie mhm. zoonotique qu'on suspecte est présent dans la zone et on fait le lien. Mhm. Donc c'est pourquoi toujours on travaille avec les gens de la santé animale et mhm. l'environnement pour pouvoir faire les, liens mhm. en cas de en cas d'apparition de, des signes chez l'éleveur. Le oui. Donc quand l'éleveur a ces signes, le vétérinaire constate le, les, quelques une maladie zoonotique chez ces animaux. Donc on essaie de faire le lien et puis informer euh, les CIC ou bien les services de santé qui, qui sont proches. Donc, en ce qui concerne la vaccination, donc, euh, heureusement, beaucoup de maladies mhm. zoonotiques ont leur vaccin ici, au Niger. Mhm. Je prends la, rage, c'est mhm. présent un peu partout. Donc, euh, je prends, euh, comment on appelle ça À part la rage, il y a des vaccinations. Le charbon bactérien, le charbon bactérien aussi qui est là, qui, est, qui, en train d'être fait actuellement sur toute l'étendue du territoire du Niger. Et c'est pour le charbon, c'est payant. Mais il y a d'autres maladies aussi qui fatiguent, qui n'est pas zoonotique, qui fatiguent les animaux, qui sont en train d'être faites, qui est prise en charge par l'État et ses partenaires. Mhm. Donc notamment la, la PPCB, ce n'est pas une maladie zoonotique, mais c'est une maladie qui est économiquement touchée mhm. par les éleveurs. Donc lui aussi, ça a été pris en charge par l'État et, il y a aussi la PPR chez les petits ruminants. Donc le charbon bactérien, les les vaccinateurs profitent de ça, mhm. de cette campagne de vaccination gratuite, pour proposer d'autres vaccins mhm. zoonotiques aux éleveurs, mais qui soient payants et que les éleveurs accueillent à bras ouverts. Mhm. Nous, nous sensibilisons les éleveurs pour faire ces types de vaccins, euh, surtout que l'occasion se présente parce qu'ils n'ont pas tout le temps euh, des vaccinateurs qui se déplacent venir vers eux pour faire. Donc on les, sensibilise pendant ces moments de profiter de l'occasion mhm. pour faire beaucoup de vaccins. Donc la plupart des vaccins qui sont disponibles au Niger sont en train d'être faits sur tout l'étendue du territoire. Mhm. Est-ce que ces vaccins sont disponibles pour, pour tout le cheptel, si je peux dire Oui, la plupart des vaccins sont disponibles pour tout le mhm. cheptel. Je crois qu'il va en ajouter parce que ces vaccins, pour la plupart, ils sont fabriqués ici par le laboratoire central de l'élevage qui est ici à Niamey. Donc c'est ça s'est produit localement et de là et la vaccination s'est faite. Donc aussitôt que la demande est là, la production aussi est, faite. Docteur il dit, est-ce que euh, cette vaccination c'est périodique Elle est périodique la vaccination Oui, la vaccination gratuite elle est périodique. Mhm. Donc elle se fait chaque année entre décembre, en quatre mois, mhm. donc entre décembre et mars, mhm. et le mois d'avril, on fait ce qu'on appelle le ratissage. Mhm. Donc c'est chaque année, et l'État prend en charge trois vaccins. Les autres sont payants par l'éleveur, et la plupart, je dirais tout le monde, tous les éleveurs sont au courant. Docteur Sahabi euh, Barti, en cas de l'apparition euh, des premiers signes, euh, que faut-il faire dans l'immédiat Merci une fois de plus ça dépendra de, de, tel, de quel de quels symptômes il mhm. s'agit pour qu'on puisse se relativiser par rapport à la maladie. Mhm. Donc, euh, en médecine, comme on le sait, on ne travaille pas au hasard, on mhm. travaille avec certains paramètres qui peuvent nous indiquer la conduite à tenir, comme on l'appelle. Abdrazak euh, Issa, que faut-il faire euh, dans l'apparition des premiers signes, euh, par exemple, de la rage. Ok, merci beaucoup. Bon, il m'a renvoyé la question. Donc, vraiment, ce qu'il faut comprendre pour la maladie aussi, la rage, elle est virale. Donc, cette maladie, vous avez parlé des premiers signes. On n'attend pas les signes. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure, moi et docteur, de la cohabitation. La rage, quand vous êtes mordi, bon, il y a deux cas qui se présentent. Mhm. Nous, au côté vétérinaire, on cherche à avoir le chien Mhm. Si le chien a un propriétaire, c'est facile de l'avoir. Donc nous, nous faisons ce qu'on appelle la mise en observation ou vérifier ou bien le chien a un carnet de vaccination mhm. contre la rage. Mhm. En ce sens, on fait la mise en observation et on oriente le malade et ou bien le mordu à, euh, à la santé publique pour la prise en charge et continuer. Donc qu'est-ce que nous, nous faisons côté élevage Nous faisons la mise en observation spécifiquement pour la rage, quand il s'agit de la rage, quand on fait la mise en observation, on peut comprendre les premiers signes sur l'animal, donc euh, le chien qui, ou bien le chat. Mm. Donc, euh, en ce sens, on peut orienter ou bien là où la personne est partie, on peut demander au médecin ou bien comme on est maintenant en étroite collaboration. Là, pour, voir là ce qu'on a observé et lui, euh, de son côté, il peut faire le nécessaire. Mm-hmm. La rage, dès qu'il y a l'apparition des premiers signes, en tout cas de la rage, c'est irréversible. C'est ce mm-hmm. qu'il faut comprendre. C'est pour ça c'est une maladie qu'il ne faut pas négliger. Mm-hmm c'est irréversible. Dès que les signes, en tout cas les signes précurseurs de la rage apparaissent sur la, personne, la personne, c'est irréversible. C'est destiné à la mort. C'est pour ça qu'on n'attend pas les signes. Mhm. Donc, il y a les vaccins pour la rage, il y a aussi les sérums qu'on fait. Donc, c'est les situations qui se présentent en cas de morsure. On fait la mise en observation de l'animal de notre côté et on oriente le malade la santé publique et ils savent quoi faire et faire les procédures et ou bien le protocole de traitement. Et si euh, pour la rage, on n'attend pas les signes cliniques et pour la tuberculose Bon, la tuberculose, là aussi, c'est vraiment une maladie chronique qui est bactérienne. Et comme vous l'avez dit, côté animal, la tuberculose, parfois, c'est ce qu'on appelle les découvertes d'abattoirs. Parfois, un animal peut être tuberculé, mhm. c'est vraiment au moment de l'abattage que vous allez constater que l'animal est tuberculé. Mhm. Mais côté humain, ce n'est pas le cas. Donc mhm. les médecins sont mieux placés pour le dire. Mais chez les animaux, nous, parfois, c'est des découvertes. Tu peux voir un animal qui est bien, en un bon point, mais il peut être tuberculé. Donc il y a plusieurs types de tuberculose qui sont là. Parfois, ça touche tout, l'organisme de l'animal ou bien elle est, localisée par, au niveau des organes. Donc nous, parfois, vraiment, c'est des maladies chroniques. Parfois, pour les découvrir, il fois après l'abattage de, l'animal parfois. Mm-hmm. il y en a qui font... aussi ce mm-hmm. que je peux ajouter pour les grandes fermes qui sont là, mm-hmm. sans oublier, il y a ce qu'on appelle euh, méthode de diagnostic qu'on appelle intradermotuberculation. Donc c'est pas tout le monde qui le fait. Bon, peut-être les grandes fermes qui font la commercialisation du lait peut le faire parce que le lait aussi peut contaminer. Donc c'est vraiment une méthode diagnostique qu'on fait sur l'animal pour euh, identifier si l'animal est tuberculé ou pas, étant vivant. Il y en a qui, font l'abattage clandestin. Donc euh, l'animal l'animal n'a pas été consulté avant d'être euh, abattu. Euh, là aussi, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela Bon, pour l'abattage clandestin, nous tous, même si tu n'es pas de <laughs> l'élevage, tu peux savoir ça. C'est un risque. C'est un grand risque. C'est comme nous le disons, mm. c'est pas donner à n'importe qui de connaître un animal et, ou bien une viande saine. Mhm. Donc c'est pour ça, en ce sens, vous voyez, si vous regardez la télévision, parfois la région de jamais fait des représailles. Pour... Mhm. Donc ça, c'est toujours pour contribuer à la santé publique et la santé de la population. Parce que parfois, quand tu abats l'animal, tu ne peux pas savoir il faut l'agent inspecteur d'élevage pour constater. Mhm. Il y a des maladies, comme on a dit, c'est pas visible à l'œil ou bien les endroits que l'inspecteur ou bien le vétérinaire va inspecter. Donc tout ça là, on ça sensibilise les gens de, de, laisser cet abattage clandestin et laisser les et aller faire et même sur le coût des taxes les gens qui abattent à l'abattoir ils ont mhm. vérifié tout et les autres sont là clandestinement vous voyez c'est un peu compliqué mhm. peut-on guérir de ces maladies zoonotiques pour la guérison, <laughs> qu'est-ce que vous dites Bon, vraiment, je sais que je connais, je sais mm. que pour la tuberculose, il y a un centre tuberculeux qui est là pour la mm-hmm. prise en charge. Donc, on peut dire qu'il y a une guérison qui est là. Mm-hmm. Ce qu'il faut comprendre aussi pour les autres maladies, vraiment, on ne souhaite pas qu'il y ait d'abord les premiers signes. On fait les liens et on fait les analyses. Donc, en tout cas, pour la tuberculose, je sais que ça existe. Et d'autres maladies aussi, si c'est pris à temps, on peut espérer. Et nous tous, on connaît, pour les maladies virales, parfois, il faut faire la vaccination pour prévenir. Mm. Donc, on n'attend pas. Moumoun Idi, peut-on guérir des maladies zoonotiques Bon, je vais d'abord revenir euh, un peu sur la rage. Comme l'hôtel l'a dit, mm. la rage, quand les signes apparaissent chez l'homme, c'est mortel en fait. Mm. Donc, c'est irréversible. Donc, on ne souhaite pas voir les signes chez l'homme. Qu'est-ce qu'on fait dans la pratique mm-hmm. En cas de morsure d'un chien, le vétérinaire dès qu'on a l'information, on essaie de demander au propriétaire de nous amener l'animal, le chien. Donc on, met le chien en, observation et au bout d'un temps, grâce aux au, signe que le chien va présenter, mhm. on saura dire si ce chien est enragé ou pas, ou bien si eh, la morsure du chien est contaminante ou pas. Donc, et de là, en communication avec les, les CSI et les services de santé qui sont là, mhm. on, va leur dire quelle procédure à prendre, ou bien on va les indiquer mhm. pour que euh, l'homme qui a été mordu ne même pas, ne, ne, présente pas les signes. Mhm. Donc, soit le sérum et, l'avantage aussi, comme il l'a dit, il y a le, vaccin contre la rage et pour l'homme et pour les chiens. Mhm. Donc, maintenant, il y a aussi d'autres maladies, pas la tuberculose. Moi, je parle de la brucellose. La brucellose aussi, les signes, euh, ça se présente comme si c'est le pali. Donc, c'est exactement, pratiquement la même chose, mhm. avec des, des fièvres intermittentes qui partent, qui reviennent et autres. Donc des fois, euh, dans les CSI, ils peuvent tenter de traiter le pali alors que la personne il est en contact direct avec les animaux qui mhm. sont atteints de la brucellose. Ils boivent le lait, s'embouillent et autres. Mhm. Or, il est atteint de la brucellose. Nous, quand les vétérinaires détectent la brucellose chez les animaux, donc, et qu'on voit qu'il y a des gens malades, soit disant que c'est le pali, donc, mhm. avec la communication, on va leur dire Ah, c'est pas le pali, c'est la brucellose. Faites ça, faites ça, faites ça. La personne guérit personne va avoir la santé. Mhm. Donc, pour dire qu'il y eh, a des maladies, il y a des maladies ou qui ont des traitements qui marchent bien quand on s'y prend à mhm. temps. Mhm. Et, mais il y, a des maladies aussi, quand les signes apparaissent, c'est irréversible. Oui, comme la rage et beaucoup d'autres zones Voilà, comme euh, le dit. Euh, Docteur euh, Abdrazak, euh, il faut aller très tôt se faire euh, soigner dans un centre de santé lorsqu'on est atteint d'une maladie zoonotique. Docteur, comment se fait donc cette prise en charge des maladies zoonotiques est-elle gratuite Bon, je ne dirais pas gratuite, mais je sais que pour le centre tuberculé si je ne me trompe pas, c'est gratuit, c'est que je connais. Maintenant, pour les autres maladies zoonotiques, c'est comme il l'a dit, hein, parfois c'est fortuitement qu'on découvre que la personne est parfois atteinte d'une zoonose. Comme il l'a dit, on mhm. traite autre chose alors que voilà, on fait le lien comme il l'a dit pour pouvoir voir. Mhm. Donc en tout cas, c'est ce que je sais. Pour la rage aussi, parfois, on demande à l'éleveur ou bien au propriétaire du chien. C'est mhm. pour cela parfois on demande à chaque fois le propriétaire de, faire vacciner leur chien, on lui demande, bon, je ne sais pas si c'est dans les textes, de prendre en charge la personne mordue, parce que le chien t'appartient. Mhm. C'est cela, si tu as un carnet de vaccination, bien à jour de ton chien, tu ne crains rien. Mhm. Et parfois, qu'est-ce qu'on constate On a les chiens errants qui sont là, mhm. qui n'ont ni propriétaire, qu'on ne sait même pas où. Les chiens mordent et ils disparaissent. Donc nous, on n'a même pas le temps de faire la mise en œuvre. On n'a pas ce chien-là. Donc parfois, le mieux, c'est on conseille ou bien sensibilise la personne d'aller soit se faire vacciner ou bien faire la, les anti tout ça. <laughs> Maman Idi, sur la prise en charge, vous pouvez ajouter Oui, euh, la tuberculose, à ce que je sache aussi, il y a une prise en charge pour la tuberculose, mhm. mais pour les autres maladies, non. Mhm. Donc c'est prise en charge par le lever ou bien la personne atteinte. Mhm. Donc pour la rage, c'est exactement la même chose pour la, pour la brucellose mhm. et les autres maladies aussi, c'est exactement la même chose. Mhm. Maintenant, je ne sais pas, pour la grippe aviaire, je sais que du côté de, du fermier qui a perdu ses poulets, mhm. je sais que l'État a pris, euh, je ne sais pas à telle hauteur, à quelle hauteur, mais l'État accompagne le, le, euh, fermier qui a perdu ses, ces, poules. Mhm. Et les personnes qui ont atteint de, de la, grippe aviaire aussi, de la maladie aussi, vraiment, je ne sais pas. On peut ajouter là-bas, dire que pour la grippe aviaire, Dieu merci, on n'a pas eu de cas humains au Niger pour le moment. Mhm. Mais comme il l'a dit, hein, les fermes, c'est comme ça. Moumoun, il dit de la reine, pensez-vous euh, qu'il y a des insuffisances dans la prise en charge des malades des insuffisances. Tout, tout à l'heure, vous disiez que la prise en charge pour certaines maladies n'est pas gratuite. Oui. Des euh, Les insuffisances, oui. Les insuffisances, Nous, en tant que représentants des éleveurs, c'est que nous souhaitons mhm. que la campagne de vaccination ne s'arrête pas uniquement que sur les deux malades, sur les deux maladies là. Mhm. Donc, vu que la situation épidémiologique du pays dans certaines zones est connue, mhm. donc certaines maladies et l'État et les partenaires savent que la maladie est présente dans certaines dans ces zones là. Donc pourquoi la campagne de vaccination ne s'étend pas donc mhm. sur, sur, d'autres maladies mhm. qui sont zoonotiques, qui, sont, euh, qui sont aussi des dangers pour l'homme et pour l'animal. Mhm. Du côté des animaux, donc nous, ce que nous souhaitons, que la campagne de vaccination prenne encore d'autres maladies en charge. Et du côté des éleveurs aussi, nous souhaitons que, au même moment où la campagne de vaccination se fait, si dans ces équipes-là, il peut y avoir, je ne sais pas, des personnes de, l'État, les services techniques, pour accompagner ces vaccinateurs, mhm. pour sensibiliser les éleveurs. Pourquoi pas, et peut-être même ils peuvent constater des, ces quelques signes au niveau de ces éleveurs-là. Mhm. Donc ils vont les indiquer au niveau de ces centres de santé pour prise en charge. Mhm. Donc si la prise en charge aussi peut être gratuite pour les maladies zoonotiques, je pense que ça sera une très bonne chose. Parce que je vous dis, hein, euh, nous n'avons pas parlé de ça en profondeur le charbon bactérien, mhm. c'est mortel aussi. Mhm. En même temps, dès que l'animal atteint de la maladie, mhm. l'animal euh, meurt, tu manges la viande, c'est automatique. Donc ça fait des dégâts. Donc la sensibilisation, surtout la sensibilisation, parce que nous, en tant que vétérinaires, nous ne voulons pas voir ces maladies-là. Notre, notre boulot, c'est de faire une barrière entre ces malades, entre les animaux et l'homme, donc de ces maladies-là. Donc, ce que nous demandons, non plus c'est la sensibilisation et une grande couverture de, la vaccination, donc prendre, prise en compte de certains vaccins mhm. comme le charbon bactérien mhm. et la prise en charge aussi de certaines maladies de façon gratuite comme la rage. Mhm. Docteur Abdullah Razak, est-ce qu'il y a des insuffisances dans la prise en charge <laughs> des malades Merci. On ne dirait pas des insuffisances parce que Maintenant, qu'est-ce qu'il faut Je vous ai dit qu'on avait parlé des maladies zoonotiques, c'est énorme. Donc le mieux, c'est que nous sommes en train de faire, comme je, je reviens encore, je mm. reviens, je le dis mm. encore avec les autres secteurs. Parce que c'est vrai, on est là, on a besoin de prendre en charge telle, telle, telle maladie, mais on ne peut pas tellement que c'est trop. Donc, mm. qu'est-ce qu'on fait On identifie des maladies prioritaires, comme on dit. Mhm. Donc, c'est on est dans cette lancée avec les autres secteurs. On est en train on a fait déjà l'identification comme les zones comme on vient de parler. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'il faut Il faut faire des plans et avoir des recommandations qui viennent de la base. Comme la reine l'a dit, ils ont besoin de sensibilisation et la prise en charge des autres zones. Donc pourquoi ne pas, comme on, est toujours ensemble, on mhm. fait des recommandations et l'État est là pour aider. Mhm. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mhm. Jusque-là, on fait que la sensibilisation et l'identification. Donc on fait en fonction de ces moyens. Maintenant, les partenaires aussi sont là pour nous aider. En tout cas, on est dans cette lancée et maintenant faire des recommandations euh, pour, je crois qu'il y avait même eu des avancées pour la rage parce qu'on est arrivé à un moment où quand on part ensemble, on fait des investigations ensemble, on amène à l'hôpital parfois. C'est vrai, il n'y a pas une prise en charge. On cherche aussi à aider la personne d'une autre manière, pas mhm. comme on le dit, mais maintenant ça va venir peut-être au fur et à mesure. Donc mhm. faire aussi la prise en charge comme pourquoi pas pour euh, comme ça se fait au niveau des centres tuberculaires. Donc mhm. on est dans cette lancée et euh, vraiment l'État fait beaucoup de son mieux aussi et c'est ce qu'il continue à faire. Donc parfois on fait en fonction de ses moyens. Maintenant les partenaires sont là aussi Maintenant, s'ils voient qu'ils sont, ils sont concernés par telle ou telle maladie aussi, ils appuient et nous, nous lançons nos recommandations. Quand même, des difficultés, ça ne manque pas. Oui, les difficultés manquent toujours. Il y a toujours des difficultés par rapport à la prise en charge, mm-hmm. comme vous l'avez dit. Parfois mm-hmm. aussi, comme il l'a dit, on peut avoir des vaccins qui sont interrompus. C'est vrai, on dit c'est au niveau national aussi. Mm-hmm. Parfois, comme il a dit, il y a des vaccins payés, il y a d'autres qui n'ont pas les moyens pour payer. Donc aussi, tout ça, c'est des difficultés. Donc il y a aussi c'est quelques difficultés que je peux dire. Et ceux qui n'ont pas les moyens pour, euh, pour payer, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux Bon, on ne peut pas dire qu'on va leur faire gratuitement, donc peut-être trouver un autre euh, moyen de, de voir comment peut-être subventionner ou bien réduire le coût. Oui, pourquoi pas gratuitement aussi. si vous êtes en train de voir comment... Pas en <laughs> train de voir, mais toujours, on cherche toujours ce qui mm. peut comme il l'a dit, hein, mm. nous on est là pour les éleveurs, c'est des vétérinaires, on n'a pas, on ne veut pas voir éleveurs souffrir parce que nous c'est vraiment nos passions. Donc euh, on fait de notre mieux aussi, on mm. les aide. Parfois c'est pas facile, mais on fait de notre mieux. Ça vient petit à petit. La troisième et dernière partie euh, du forum porte sur les mesures de prévention des maladies zoonotiques. Sahabi Abartea. Vous êtes docteur vétérinaire à la retraite. Est-ce qu'on peut prévenir euh, les maladies zoonotiques Merci. On peut bien prévenir les maladies, euh, sans risque de me tromper, peut-être pas toutes, mais en tout cas, à travers les programmes que l'État élabore chaque année, je pense que les plus grandes, en tout cas les plus préoccupantes, euh, sont prises en charge par les services publics et mhm. en collaboration avec l'appui des partenaires et associations pour la sensibilisation des éleveurs pour mhm. l'intérêt de la vaccination. Loin de nous mhm. de nous accaparer les maladies zoonotiques. On, le dit, mhm. elle nous concerne en tant que vétérinaires, mais elle concerne aussi les médecins. nous, on ne se fait pas d'idées, enfin d'illusions. elles les concerne au même niveau que nous. Et effectivement, les, les, les, secteurs tels que la sensibilisation, on invite tout le monde chorus à venir lutter contre ces maladies zoonotiques. Mhm. Tant qu'on dit zoonotique, personne ne peut s'accaparer ce domaine, que ce soit les vétérinaires ou les médecins. Mhm. Tout le monde est concerné. Mhm. En fait, notre attitude est une attitude scientifique, intellectuelle, qui vise à quoi en fait À combattre ces maladies. À travers la combinaison de nos efforts tous ensemble, sans dire que non, c'est tel secteur qui est concerné, non. Loin de là je regrette que j'étais malheureusement à la retraite quand mhm. euh, l'affaire de, comment la COVID. quand l'affaire de Covid a éclaté. Donc euh, tout le monde sait que c'est une maladie qui concerne et les êtres humains et les animaux. Mhm, Donc euh, loin de nous de nous accaparer de ce domaine, mhm. ça ne nous sert à rien. Donc j'ai dit on a, notre attitude est scientifique et elle est intellectuelle. Donc nous tous, on est concernés, y compris même le ministère des Finances, mhm. qui, produit les, qui donne les moyens. Tout à l'heure, vous parlez de la préoccupation des moyens. Mhm. Donc, c'est tout le monde qui est concerné. Ça, je dis, ça n'engage que moi. Mhm. Mais mon point de vue, malheureusement, j'étais en retraite. Ça m'a fait beaucoup de mal. Mais je profite de votre studio pour le dire, que ça m'a fait mal, que des gens pensent que ça concerne eux seuls. Non. Nous, on n'est pas dans les prébendes. Nous, on est dans le travail. Merci. Voilà, merci à euh, <laughs> Barthé Sahabi à votre suggestion. Nous sommes sur la dernière partie. Docteur Abdrazak Issa, est-ce qu'on peut prévenir euh, les maladies zoonotiques Oui, merci. Bon, il a commencé à, nous dire, docteur euh, Barthé. Donc, il y a d'autres maladies qu'on peut prévenir et d'autres. Et maintenant, et ce qu'il faut comprendre, on est vraiment dans le secteur, dans la dans le One Health maintenant. Mhm. Donc, comme l'a dit Barty, maintenant, on a une avancée. Vraiment, les trois secteurs travaillent ensemble, plus d'autres secteurs qui sont là, comme le mhm. financier ou autre là. Donc, mhm. ça. Mais pour la prévention des, des, zoonoses, c'est comme on avait dit au début, hein. Il y a d'autres qui se transmettent par l'alimentation, le lait ou autre là. Donc, dans ce sens, il a parlé de bouillir ou bien, ou bien la cohabitation aussi. Savoir où mettre ses animaux, et la contact, comment faire l'alimentation euh, au premier signe de tes animaux ou bien des suivis sanitaires par les vétérinaires qui sont là. Mhm. Donc tout ça, c'est des mesures de prévention et contre euh, les zoonoses aussi. Mhm. Donc, c'est ce que je peux dire. Docteur euh, Moumouni Idi, quels sont les moyens de prévention Donc, pour prévenir contre les zoonoses, mhm. c'est de couper les voies de transmission mhm. de, chaque maladie. Donc, pour chaque maladie spécifique, on a des voies de transmission qui sont spécifiques à la maladie. Mhm. Donc, c'est de mettre un barrière sur ces voies de transmission de la maladie. Mhm. Donc, je dirais à, tous les éleveurs, dès que vous constatez, quel que soit le signe sur votre animal, c'est de contacter directement le vétérinaire le plus proche, donc qui saura vous donner des conseils. spécifiques sur la conduite à tenir concernant l'animal et l'autre. Donc je dirais bien qu'on peut bien et, belle prévenir. les, les zoonoses en, mettant une barrière sur les voies de transmission. Mm. En tant que responsable d'une association des éleveurs, quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'État en vue de protéger le bien-être des animaux, qui est aussi une mesure efficace pour protéger la santé humaine Oui, euh, donc nos attentes euh, au niveau de, niveau de l'État. Donc, premièrement, comme j'ai à le dire, c'est la sensibilisation. Que l'État nous aide et dans tout ce qui est sensibilisation mhm. euh, sur les zoonoses et les conduites à tenir euh, auprès des éleveurs, jusqu'au fond, fond des, des pasteurs transhumants qui, n'ont pas de points fixes, qui se déplacent. Mm-hmm. Donc nous aussi, et l'État nous aide à se déplacer, à aller envers, envers ces personnes, les mm-hmm. sensibiliser du jour au jour dans leur mouvement. Mm-hmm. Donc en, deuxième position, ce que nous attendons de l'État, que l'État était est en train déjà de faire, c'est la vaccination gratuite. Mais c'est aussi d'étendre cette vaccination gratuite sur d'autres maladies que nous jugeons euh, prioritaires parce que c'est mortel et au niveau de l'animal et au niveau de l'homme aussi, comme le charbon bactérien. Donc je pense que euh, ce sont les deux principaux euh, suggestions qu'on mhm. demande auprès de l'État de, nous aider à combattre. Mhm. Docteur Abdrazak Idi, vous êtes euh, docteur vétérinaire épidémiologique à la Direction générale des services vétérinaires. Est-ce que le Niger a enregistré des avancées dans le cadre de la lutte contre les zoonoses Mm, merci, ça c'est aussi une bonne question. Comme je l'ai dit, j'ai commencé tout à l'heure. Mhm. Le Niger a beaucoup enregistré des avancées. Déjà, on parle maintenant du secteur One Health, une seule santé, pour lutter contre euh, les maladies zoonotiques. Donc ça aussi c'est un atout. Mhm. On a une arrêté qui est là et qui concerne tout le territoire national. Mhm. Et on est dans la lancée de... On a déjà fait des priorisations des quelques zoonoses parce que tu ne peux pas lutter contre toutes les zoonoses, mais tu vous faites une priorisation commencer avec ça et après avancer. Mhm. Donc voilà quelques avancées que le Niger a eu à faire. Et quelles sont vos suggestions en vue d'une efficacité de la lutte contre les maladies zoonotiques de, comme l'a dit Dr Bert, c'est la collaboration mhm. avec les autres secteurs. Mhm. Une seule personne ne peut pas lutter. La santé n'est pas une affaire d'un seul, ministère ou bien d'autres. Donc il faut qu'on collabore ensemble mutuellement et on travaille avec les autres secteurs pour pouvoir combattre. Euh, les différentes zoonoses. Mhm. Docteur Moumoun Idi, représentant de la reine. Donc nous, nous remercions le studio Kalangu, parce que moi je suis convaincu que c'est grâce à la sensibilisation que nous arrivons à, nos objectifs. Mhm. Donc nous remercions le studio Kalangu et nous les encourageons aussi dans ce sens à, bien sensibiliser les éleveurs et les autres acteurs. C'est des, des, questions spécifiques comme les zones mhm. Nous vous remercions aussi. Nous sommes au terme du forum de ce soir qui a pour thème les maladies zoonotiques au Niger, quelles mesures préventives. Nous étions en compagnie de Abdrazak Issa, docteur vétérinaire épidémiologique à la Direction générale des services vétérinaires au ministère de l'élevage. Sahabi Barté, docteur vétérinaire à la retraite et docteur Moumoun Idi, de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. La présentation était assurée par Fatih Zakari, la technique Amina Hassan.